man la waaw waaw voilà waaw bismillah man la Macoumba Dieye dëkk Saint-Louis wax dëgg yàlla tey nu gis fi benn jafe-jafe boo xamante nii adi yëpp at yi yëpp dañ naan maanaam boo xoolee jafe-jafe bi mi ngi am xam nga si traité wàllu Saint-Louis ñun nag dañuy lancé appel ki nga xam ni tey moom la yàlla dénk réew mi ndax injustice bi ñun yàgg nañ ko dund comme yàlla dogal na ni am na nañu nguur gu bees goo xam ni seen première sement bi nu teg mooy jub jubal jubbanti kon loolu dañ leen di lancé appel di leen wax ni ku mel na biram Birame lay Diop nga xam ni moom lañ dénk wàll woowu mi ngi dem mboora ma ngi dem fu nekk di ko wax ni fii si Saint-Louis na fi ñëw te bu fi ñëwee tamit na jaar si ñi nga xamante nii ñoom la métier mi ñoom la pétrole bi xam nga impacté muy ñi nga xam ni tey ñoo amee association bu mel noon di gaalu ngét ndax ñoom ñu ngi dund conséquences yoo xam ne conséquence yu metti la ndax be pétrole bi fi ñu ko teg nii Sénégal ak Mauritanie ñoom noo ko bokk di ko bokk xam nga di ko exploité te ki si yàqule doomu Sénégal la kon li ñuy ñaan rek mooy na négocier ak Mauritanie ba nu mën leen xàllal si géeju Mauritanie tuuti bu ko defee xam nga ñoom nu man fa dem nappi parce que loolu bu amul nit boo ko dee sës di ko sës ba sa miir bi boo gisee vidéo yi doon daw xam nga fan yii yëpp muy gaal yi dem ba si plateforme bi di fa di fa liggéeyee mooy dañu amul lu nu dundee te nit bu amul lu mu dundee foog mu def effort xam nga pour man dund kon loolu état bi na si jot te lii di raam nag bu si état bi jógul xam nga fa mu jëm baaxul ñu ngi lancé appel président bi na ñëw fii si xool na muy teg ay commission yoo xam ne pour man jubbanti lii parce que lii kenn mën ko seetaan parce que ñun duñ toog duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan te daan dund fii ñoom maam bàyyee nu ko dippi boobu ba léegi pétrole ñëw fi Sénégal ak Mauritanie bokk ka du bëgg nu ko xañ kon loolu mënul nekk li man nekk ba man nekk mooy na nanu négocier xool gaalu ndaw yi nu ne def ba wutal leen ay licence xool nu nuy def ba mën leen xalal si booru gopp bi nu man fi napp mais loolu bu amul moom gite ngaas rek moo fi am parce que ñun duñ ko bàyyi kenn mënul wax a wax wax ba nu bàyyi ko parce que fi nanoo suturloo kon solution pour mu am foog toog waxtaanam asalaamaaleykum man maa ngi tudd Oumar euh, Ben Khatab Dieye di coordonnateur coordonnateur conseil local de la pêche dama jàpp ni kilifa moom ak njabootam koo jiite yaa jooyam yaa koy jooy te ñëpp gis ne lii mi ngi yàgg man li may li may li may interpellé état bi mooy nanu créé ay jataay yeneen jataay yu dul jeex parce que ñëpp gis nañu suñu diggante Mauritanie jàmm rek moo ci am comme jàmm nag moo ci am te lii benn benn gaalu Mauritanie impacté wu ci gaalu Sénégal rek noo ciy impacté wu kon nu nu waxtaan nu créé zone tampon boo xam ne gaalu ndaw yi dañoo jógee fi dem ba 40 kilomètres wala 50 kilomètres di fa nappi beneen bi aussi mooy li nga xam ne tey jii mooy gaal yi nga xam ne jàpp na leen ci gopp no arrêté na leen presque mën naa ne nguur gi fi jógee dañ ko jooy ba na ni plateforme bii fii may wax ak yow ni tamit noo mois de juillet juillet ba décembre gaalu ndaw yi noo yor bi amu ci benn koo képp koo xam ne yaa ngi lekk jënt jur jëloo si gaalu ndaw yi kon it nanu toogaat nu waxtaan dara weesul nu toogaat nu waxtaan nu xool lan la ñuy rectifier lii parce que lii mënul continuer maa ngi sant ci di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum man la yaay may sa jeey président jigéen ñi nga xamante ne ñooy nekk si biir langue de braves di commission gaalu ngit maay seen président gannaaw bi ñu sant yàlla julli sële naa Mohamed ñun ñi nga xamante ne ñun la pétrole ak gaz bi impacté muy plateforme bi di Jatara ñu nekk ay victime te victime bi du ñun kese ndax mun buñ nee jën ki koy liggéey am na si part de responsabilité koo yoon bi am na si part de responsable yow mii di fonctionnaire bi am nga si part de responsable kon duñ demee nga xamante ni tey bépp ñëw na fi jël sunu àq ak sunu ay yelleef dinu ndax gauche dinu ndax droite dinu diaboliser dinu boole loolu il temps ñu dénoncer ko te il temps ñu bàyyi xel ñun ñi nga xamante ni tey ji ñun ñooy soxnaay mool yi carrière nañu semé tey ji bu ñu bëggee clandestin bi wàññeeku nan bàyyiwaat xel ñi nga xamante ne ñoo doon seen kër gi ñu daan liggéeyee ñu fexeel nu leen jàppale ba daanu liggéey coow du am ci dëkk bi nan naan la taay nga daal goo xamante ne xam am na commencement mais amul fin te ñun pare nañu pour tout pour joxe suñu bakkan ngir ak fii ñu daan liggéeyee ndax ku demul liggéey daa dem ja def sudul noonu wala nga dem sàcc te ñun loolu duñ ko mag suñu ay njaboot duñ ko mag da ngay dem di nappi Euh, euh, gàdd ko di jàpp la téelëf ba 6 heures des fois léegi neen duñ lay saisir di la yóbbu ba Dakar duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te ñun ñi nga xamante ne tey jii pétrole ak gaz bi duñ ko bokk diggante Mauritanie ak Sénégal il est temps ñu bàyyi nu xel na xam ni ku bokk pétrole ak gaz war nga bokk gaal respecté say doom ñun juruñu sàcc ñun duñu ay sàcc suñu njaboot duñuy sàcc duñuy dem ñu nuy mënoote duñu torturé duñu ñàkk de respect il est temps nag ñu bàyyi nu xel ñun nous en nous ñun liggéey bu noobu la ñu xam xamul lu dul géej bu ñu demulee géej may sunu problème yaa une problème dañ daa wax nañ naan géej ñun amuñu problème am nañu problème ndax ñun ñii amatuñu jaar fii ñu ne déen na waaye beres bi amati problème kon diggante Mauritanie ak Sénégal jàmm na fi war am gaal yu yi goy na gudd goy génn golo gudd na waaye loo sulaa borom yëkka gaali ndaw yi neexul ba neexul waaye dañu war dañu leen war reconnaître bu nu mënee dem si gopp gi di liggéey di dem ak di ñëw ab day am solo trop si dëkk bi ndax ñun ñii ñëpp benn lañu nuusaanu gaalu mbaal gi gaalu ndaw gi moo jur gaalu fele-fele gi moo jur gaalu róog gi moo jur gaalu mbaal gi kon mbir mi kenn bokku ma si ndax ja ndax ni nga xam Mauritanie gii togar bu nekk togaru nga si kon nag ñun ñëpp nan jàpp a bàyyi bokku nday bokku bàyyi Diomaye yaa ni woon jubal La plateforme bi li fi xew jubal jubbanti amu fi dëngate moo fi am il est temps nga nous wax ak ñoom wax ak population Ndar gi xam ne taxaw nañu tem pour jaay sunu bakkan njëriñ fii ñoo ko euh, bonjour je m'appelle euh, Mamou Ndiaye secrétaire général de l'association des euh, pêcheurs artisanaux à la ligne de saint Euh, nous venons euh, la énième fois pour alerter l'opinion nationale et internationale sur cette catastrophe écologique, économique euh, que, vive la population de la langue de Barbarie, dont les seuls qui n'ont causé ces catastrophes sont BP et Cosmos qui, composent le GTA. Euh, ces compagnies tuent à grand feu la pêche. Ils sont en train de tuer à grand feu la pêche. Euh, les recherches la faune et la flore qui étaient euh, la, faune et la flore qui, euh, euh, qui qui, était la richesse qui, était, la richesse qui développait nos, récifs sont, gâtés par Diatara, sont détruits par diatra Après avoir volé Diatara, Bibi ne rencontre que des balivernes. Les pêcheurs sont les plus impactés euh, et, les, ressources halieutiques sont plus impactées que, que, tous les partis du, pays, de la Mauritanie euh, euh, et, du Sénégal. Notre langue de barbarie qui est ici, qui représente saint est très impactée par le gaz et le pétrole. Euh, attention, BP a déjà causé d'énormes problèmes dans d'autres pays, tels que la pollution, le fuite de gaz et euh, les, explosions, pollution, les marins noirs. Ah, ça, si, ça arrive, nous, la population de, la Langue nous risquons de, de, de Nous risquons de déguerpir. Nous demandons à nos deux États, la République sœur, la République sœur, euh, euh, la République islamique de la Mauritanie et le Sénégal, et BP, de tout faire pour que les pêcheurs de la langue de Barbarie puissent vivre en paix avec eux. Nous voulons faire que la pêche. Nous ferons que la pêche. Et nous ferons rien, rien, rien que la pêche. En bas, en bas BP, en bas, dégage BP. Vive Diatara. Vive la pêche. Non à la pollution. Non à la dégradation des ressources. Nous n'aimons que la pêche et nous ferons que la pêche. Nous demandons une nouvelle étude. Nous demandons une nouvelle étude. Nous demandons une nouvelle étude. Euh, ces études que, BP a fait pour eux, ce n'est pas, des, pas des études valables. C'est les outils que BP a fait lui seul. Nous demandons des, outils avec une partenaire libre qui, fait les... outils. Euh, je me nomme Mamoudou Je suis le président de la commission environnement de l'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, communément appelée commission Galinguette. Ce que nous réunit aujourd'hui ici, je pense que vous tous, vous en êtes témoin Moi, euh, un sentiment de désarroi un sentiment de d'injustice sociale un sentiment un sentiment de de de en fait en fait par rapport à des bonnes personnes des gens je pense que vous savez tous ce que la pêche représente au niveau du Sénégal, ici à Saint-Louis. Je pense que vous savez, vous tous, ce que la pêche engrange comme emploi. Vous savez tous ce que la pêche représente dans ce pays. Qu'est-ce qu'il y a On a en face de nous une plateforme. Une plateforme dont les opérateurs, ceux qui sont en train d'exploiter cette matière première, n'ont même pas la courtoisie de venir parler avec les pêcheurs. Non, même pas, euh, euh, euh, comment dirais-je, l'honnêteté de venir parler avec nous. Parce que vous savez pertinemment que l'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact réel sur l'activité de la pêche. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact sur nos vies. Nous, on ne demande rien à personne. Nous sommes des, des pêcheurs. Nous, notre seul de revenus, c'est la mer. Notre seule source de revenus, c'est le poisson. Nous, nous, le gaz, nous, c'est pas notre, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit des étrangers qui sont là, qui viennent. Ils ont l'autorisation de l'État du Sénégal pour exploiter du gaz. Et comment ils le font En polluant la mer. Vous savez, ils sont, ils sont là depuis presque dix ans. Mais je vous dis, c'est une catastrophe écologique que BP et Cosmos sont en train de créer au Sénégal. Au vu, au sur tout le monde. Et personne n'en parle. personne n'en parle, personne. Mais il y a des moments où il faut dire, il faut qu'ils faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils nous respectent. BP n'a qu'à nous respecter. Son RSE qu'il qu'ils injectent dans la ville pour essayer de, diviser la communauté, nous, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. On n'en veut pas. Les récits de BP, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est simple. BP a volé Praia. BP a volé l'un des récifs les plus poissonneux du Sénégal. Et BP, qu'est-ce qui, empêche à BP de venir parler avec les pêcheurs Qu'est-ce qui empêche à BP et à Cosmos de venir parler avec les pêcheurs Nous sommes des êtres humains quand même. Il faut qu'on respecte dans ce pays. Il faut qu'on respecte dans ce pays. BP avait commandité des risques artificiels. L'étude a été faite. Depuis voilà deux ans, BP range le dossier dans ses tiroirs. Pourquoi Pourquoi BP n'a qu'à nous respecter. Cosmos n'a qu'à nous respecter. À défaut de Praia, ils n'ont qu'à nous proposer des risques artificiels. C'est possible. Et nous demandons une compensation aussi. Parce qu'ils ont ôté le pain de la bouche. Il faut que nous compense on demande une compensation juste et préalable. Nous sommes des pêcheurs. Avant qu'on qu un centimètre de gaz ici au Sénégal, il va falloir qu'on nous compense du manque à gagner. Les compagnies gazières, les opérateurs, ils nous ont porté préjudice. Et le préjudice est énorme. Et ça, BP ne veut pas qu'on en parle. Nous, on, va en parler. On va en parler. Et si chaque mois, on va répéter euh, euh, la même opération, chaque mois, on va acheter nos pilotes. Chaque mois, on va venir en face de Cosmos et BP pour leur dire que ce qu'il faut il faut qu'ils arrêtent. Ils ont commandité une étude d'impact environnemental. Voilà presque 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'étude d'impact environnemental a été rejetée par l'ensemble des scientifiques valables dans, euh, euh, euh, comment, comment en la matière. C'est du bidon. C'est du bidon. BP en train de polluer en silence les eaux ici à Saint-Louis. On ne peut plus actuellement, nos familles souffrent, nos familles sont dans la précarité. Le poisson, actuellement, il se fait rare. Actuellement, on est dans une zone frontalière. Frontalière. Les pêcheurs, à défaut de poisson ils vont en, fait en territoire mauritanien. Et là ils, sont persécutés du matin au soir. Nous, on, nous en appelons au président de la République, le président Djamai Faye. Il a été élu pour réparer les injustices. Il a été élu pour, pour, euh, pour euh, commander la transparence dans ce pays-là. Donc euh, nous appelons l'État du Sénégal, nous appelons le, président de la République en premier pour venir à la rescousse des pêcheurs, pour secourir la pêche ici à Saint-Louis. Sinon la pêche est en train de mourir. Et la pêche, la est déjà morte actuellement au Sénégal. Donc voilà ce que nous disons à Cosmos et à BP. Et nous sommes prêts à répéter l'opération autant que ce peut pour nous faire entendre. Voilà, merci.